Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chers internautes, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information du soir comme chaque soir sur la Jeune 7 TV. Épidémie coronavirus pour démarrer, 119 nouvelles contaminations enregistrées ce samedi au Sénégal. Il s'agit des 108 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 11 cas issus de la transmission communautaire, 59 patients déclarés guéris, 7 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement. Le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alun Zouali c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'élection sociale. Encore dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, bon, Sénégalais pour le traitement. Le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alun Zouali c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'élection sociale. Encore dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, le point sénégalais pour le traitement de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici à Diouf, c'est le directeur du cabinet avec Dr Alun du ministère de la Santé et de l'Action sociale, encore dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, bon, le point de l'épidémie d'évolution sénégalais pour le traitement de la maladie du jour, ici à avec Dr Alun Zouali c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Encore dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, bon de l'épidémie d'évolutionnement, le point au Sénégalais pour le traitement de la maladie du jour, ici avec Dr Alun Zouali Diouf, c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mesdames et messieurs, bon encore dans les hôpitaux. Le point de l'épidémie d'évolution sénégalais pour le traitement de la maladie du jour, ici avec Docteur Alun Zouali Diouf, c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, encore dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, bon de l'épidémie d'évolution, le point de la maladie du jour, ici au Sénégalais pour le traitement. jour, c'est le directeur du cabinet avec Docteur Alun Covid-19, nous restons toujours avec le mouvement en sur le gore des Cœurs qui est également au chevet des populations. En effet, après une semaine de Téléthons, ce mouvement citoyen a procédé ce vendredi à la remise d'un important lot de vivres et de matériel désinfectant, un lot composé évidemment de euh, quelques sacs de riz, 3, 3000 masques et 15 sacs de riz ont été distribués donc aux populations des cinq villages constitués à Kirongailo. L'objectif principal, contribue à l'élan des solidarités, mais également combattre l'épidémie coronavirus aussi Sénégal, selon le coordinateur

dina gëm de passage. lan mooy appelu Pape Sow c'est vrai que dimbale am na solo mais tamit sensibilisation. Euh war na doon urgence bi lan moy appel Pape Sow wàllum sensibilisation. jàngoro maanaam sensibilisation dafa nek lu am solo maanaam ne tey sax moy li nga xamante tay moy le maître mot sensibilisation moy moy moo ko ne kenn ku nekk da nga solo masque loolu dafa am solo beneen di moy boy génn sa kër nga raxas boy dugg nga raxas beneen di moy kenn ku ci nek aussi am nga njaboot nga wax sa njaboot téye sa njaboot waxtaan ak ñoom parce que tey état mënul def lépp sensibilisation population ñun la ñun ñooy acteurs yi ñoo nekk ci biir commune bi tey ñun ñun la kon tey maa ngi au sa jeunesse di au ASC di au ñëpp kenn ku nekk fa nga ne nga jàpp ci xam ne l'heure est grave comme ni ko président de la waxee nañu gën a liggéey gën a jaaxle parce que faire bi tey mën naa ne bu demee ba tey France ay États-Unis les grandes nations tey mu tuuti leen donc xuma laa tey Sénégal bi nga xamante ne tey ci une petite nation kon nañu an bokk ndey bokk bàyyi surtout solidarité fii la ñuy solidarité fii la ñuy waxee solidarité c'est en ce moment là parce que ñun soxla nañ ko kon nag ku nekk jàppale ñu bokk ndey bokk baay ki man dimbali ki mënoon ki ku ne joxante loxo rek jooyante foofu la ñu toll loolu moo Euh, voilà donc à l'instant c'était Pape Sow le coordinateur du mouvement en délégué Sunu de Kër Gailo dans la campagne de distribution et de sensibilisation hier à Cœur Gailo. pour les bénéficiaires justement c'est un sentiment de joie et de satisfaction surtout en cette période de l'épidémie coronavirus au Sénégal les notables du village promettent et remercient le mouvement en délégué de Kër suivons suivant ici le représentant du chef de village village Samba. Voix représentant chef village Kurundjailo Aliun Samba. C'est vraiment venu à son heure. Nous sommes fatigués actuellement avec l'épidémie coronavirus. Nous sommes vraiment très contents et fiers du mouvement dirigé par Papso, qui est également un fils du village. Nous remercions tous les membres du village et les collaborateurs. Nous allons bien veiller à la bonne utilisation et à la bonne distribution de cette aide, que tous les, toutes les populations de et puissent en bénéficier. Vraiment, c'est vraiment, extrêmement important pour nous. C'est un geste noble que nous magnifions. Nous prions également pour Papso et son mouvement. Nous demandons également aux autorités, justement, de la commune d'appuyer des, des, jeunes comme, comme lui. C'est c'est vraiment important parce qu'il se soucie évidemment des populations. Merci à vous, Pape. Merci à tous les mouvements. Merci beaucoup. Voilà donc à l'instant, c'était le représentant du chef de village de Kerongailo, Aliou Samba. Justement, cet élément qui referme ce flash d'information du soir ce samedi 16 mai 2020. On se retrouve demain soir. D'ici là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et WhatsApp. Restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus, on peut bien de faire Ramadan Karim. Excellente suite de programme sur la Jeune 7 TV. Au revoir, à demain.